Nous sommes mercredi 25 décembre 2024. Merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu, chers auditeurs et auditrices. Il vient d'être 11h à Niamey et c'est l'heure de votre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, c'est Samira Wafi et Rukayetou Abdurrahman. Comment tu vas, Ruki Ça va très bien, Samira. Et toi Ça va, Dieu merci. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu euh, aujourd'hui nous débutons cette édition avec le flash d'information, la rubrique hebdomadaire, le loti, le sport et de la musique 100% nigérienne. Et aujourd'hui, à la place de l'entretien du jour, vous suivrez un mini documentaire sur le cyberharcèlement. L'édition est assurée par Moussa Hassan et la technique par Abdoulaye Yakouba. Nous débutons cette émission avec le flash d'information comme toujours et aujourd'hui euh, présenté par Nefissa de Bonjour Nefissa. Bonjour à vous Rukaye et Samira. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. La communauté chrétienne célèbre ce jour la fête de Noël ou fête de la Nativité, une occasion de retrouvailles, de prières et de partage pour les fidèles. Ainsi, dans la nuit du 24 à ce jour, les fidèles chrétiens organisent dans les différentes églises du pays des reveillons des messes pour implorer Jésus-Christ. Nos meilleurs voeux pour la communauté chrétienne du pays et du monde entier. Au quatrième jour des compétitions entrant dans le cadre du sabre national de lutte traditionnelle Boussani le d'Osso 2024, il ne reste plus que 14 lutteurs invaincus. La région de Zender est éliminée de la course au sabre. Le programme de la matinée de ce 25 décembre prévoit la rencontre entre Zender Niamé, suivi de Maradi et d'Osso. Toujours en sport, le ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture, le colonel-major Abdrahman Amadou, et son homme homologue du Mali en charge des sports, Abdul Kassim Ibrahim, était hier après-midi au centre technique de la Fenifuta nigérienne de football. Objectif faire découvrir au ministre Abdul Kassim le centre technique de la Fenifoot, un centre similaire à celui du Mali. Les deux ministres ont annoncé qu'ils ont discuté sur des projets dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, citant au passage les jeux de l'AES. Et c'est la fin de ce flash d'information. Bonne suite à vous. Merci, Je vous Et comme annoncé en début d'émission, nous suivrons un mini documentaire sur le cyberharcèlement à la place de l'entretien et de l'invité du jour. Mais avant, Samira, euh, avant de commencer euh, à écouter euh, le mini documentaire, on se ressource à Mélodie avec Bienvenue chez moi. bienvenue chez moi, bienvenue chez moi, bienvenue chez moi. C'est que je sais, tu connais, gars. Bienvenue chez moi, bienvenue chez moi, bienvenue chez moi. Y'a le pétrole et le charbon en tas. Bienvenue chez moi, bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi, bienvenue chez moi, bienvenue chez moi. Ouais, c'est plombé la famille. Bienvenue au Niger, l'un des pays les plus riches mais rempli de misère. Si t'es le fils d'un boss, pour toi y a pas de critères. La population est jeune, mais pourquoi la jeunesse galère Attends, attends, attends, je t'explique. C'est parce qu'on s'aime pas. Faut dire la vérité, on se soutient pas. Dans ton cœur c'est trop noir, tu fais le pas. Dans ton cœur c'est trop noir, tu fais le pas. Bienvenue là où la politique est un fond de commerce. Net un petit coup d'état, ils ont perdu leur commerce. Ils prennent l'argent pour faire la promotion du genre. Ils protègent trop les PD, puis nous imposent des lesbiennes. La plupart de celles qui s'appellent femmes battantes ne paient même pas de patente, mais connaissent le lit de chaque hôtel. Je sais que c'est choquant, ces bâtards veulent me choquer. Ils connaissent pas le plan B, bientôt je mets un plan C. Après le coup d'état, tout le monde est là, vous s'en aimer ils n'ont jamais aimé ce pays, mais aiment trop la monnaie. Bienvenue là où le ridicule ne tue pas. Les plus méritants sont mis de côté et puis sont tuba. Ils m'ont mis hors du game, mais j'ai changé le jeu. Maintenant que j'ai les manettes, je les vois tous un peu comme des bleus. Ce sont des TikTokers, ce sont pas des rappeurs. 30 secondes de leurs morceaux sont connus, ah, ce sont des challengers. 99% de musulmans, mais ici ça chill, savoir ça fornique et puis ça vole. Le pédoya a trop pris les déçus. Mais j'ai jamais su que c'est des hommes qui s'essuient. Dans la culture, c'est lui qui gérait les plus nuls. Même les enfants chantent mieux que lui. Moi, je te jure, c'est les plus nuls. Les gens n'ont rien construit, mais veulent tout détruire. Trop d'esprit de concurrence. Eux là-bas, ils baissent les prix. Ils ont tué, barré, mais personne n'a parlé. Ils ont importé des bébés sur nous, ils font du coupé décalé. Ici, les gens te jugent comme si c'était des saints. Ils voient jamais leurs défauts, même à qui celui de l'autre. Les gens ici te jugent comme si c'était des saints. Ils voient jamais leurs défauts, même à qui celui de l'autre. Si Babylone se casse loin de ma terre natale, elle retrouvera sa baraka et c'est plus doux que Canada. Bienvenue chez moi, bienvenue chez moi, bienvenue chez moi. C'est le de cette tu connais, gars. Bienvenue chez moi, bienvenue chez moi, bienvenue chez moi. Y'a le pétrole et le charbon en tas. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi de Hakim est sorti il y a juste deux jours abordant les défis économiques d'un pays riche en ressources naturelles mais où la pauvreté et les inégalités persistent malgré les abondantes richesses. Elle dresse le portrait d'un pays qui malgré son potentiel lutte contre la mauvaise gestion, la corruption, les mauvaises réputations de ressources. Voilà, c'était Bienvenue chez moi de Hakim Dans l'émission Le Niger sur Kalangu, un mini-documentaire vous est préparé sur le cyberharcèlement. La question principale de ce documentaire est la suivante. Est-ce que les femmes peuvent défendre les droits des femmes sur les réseaux sociaux sans être harcelées au Niger Ce mini-documentaire est réalisé par Moussa Mamman et Mohamed Mamman Mokhtar Hamadou et Adama Dawaki. Dans un pays où les droits des femmes sont encore un sujet délicat et source de controverses, deux femmes nigériennes au parcours différent se sont engagées dans la défense de ces droits sur les réseaux sociaux. L'une est magistrate et l'autre est journaliste. Goje Maimouna Gazibo et Adama Zurkaleni Meiga ont décidé de braver les critiques et le cyberharcèlement pour porter haut la voix des femmes malgré le prix parfois douloureux à payer. Adama, Mohamed, Moussa et Mokhtar vous racontent l'histoire de ces deux femmes dans ce documentaire. En 2023, Madame Adama Ali Zourkalaini Maiga, journaliste, communicante et coach matrimonial, commence à publier des vidéos sur TikTok pour promouvoir les droits des femmes nigériennes dans le cadre de la validation de son attestation de coach. Hello, hello tout le monde, vous avez un problème avec votre mari, parlez avec une personne à qui vous avez confiance. Ce message figure parmi les premières vidéos publiées par Madame Adama Alizur Kalaini sur TikTok, dans laquelle elle sensibilise les couples mariés à ne pas exposer leur vie privée sur les réseaux sociaux. Euh, une personne euh, euh, en tout une personne qui vous confiance. Juste après la publication de ses premières vidéos, Madame Adama commence à recevoir des messages de haine. Il y a un monsieur qui dit Est-ce que toi tu respectes le mariage <laughs> Et des messages comme ça, je ai tellement. J'en ai tellement. D'autres internautes s'attaquent à son statut de femme divorcée. Toi, au lieu de venir nous casser les oreilles sur les questions de mariage, pourquoi toi-même tu n'es pas mariée ou bien pourquoi tu as divorcé Si tu pouvais avoir autant de conseils à donner, pourquoi toi-même tu n'es pas restée dans ton foyer Je me suis juste dit que l'ignorance, ça tue. La plateforme TikTok est une nouveauté pour Adama. Mais Mme Gauthier Memouna Gazibo a commencé il y a 10 ans. Madame Gouget est une magistrate de formation et coordonnatrice de l'ONG Chronique Juridique qui est active sur les réseaux sociaux. Elle a débuté sa présence en ligne pour rester active à un moment où elle voyageait beaucoup. Donc je me disais, mais je préfère peut-être commencer à aller sur les réseaux sociaux, sensibiliser sur le droit en français facile. C'est comme ça que ça a commencé. Elle voulait recueillir les avis des internautes sur un sujet concernant les conditions de divorce quand une femme décide de quitter son mari. J'ai dit que je trouve anormal qu'une femme avec laquelle tu as vécu pendant 15 ans, tu as vécu pendant 20 ans, qu'on puisse condamner cette femme à te rembourser jusqu'à des condiments parce qu'elle ne veut plus de toi. Ce que Mme Goudje Memouna Gazibo imaginait être un espace de sensibilisation et d'apprentissage, devient un lieu de confrontation. Et j'ai publié, c'est la première publication où j'étais insultée, j'ai été, et comment on appelle, j'ai été traitée de cafre, j'ai été traitée de tout. Madame Gojememouna Agazibo a été particulièrement frustrée par cette situation. D'après un sondage réalisé en 2019 par l'association Internet sans frontières en Afrique, presque la moitié des femmes africaines ont subi du cyberviolence sur les réseaux sociaux. Le sondage a montré que la plupart des agresseurs sont des hommes, mais aussi que certains d'entre eux sont aussi des femmes. La magistrate Madame Gauthier Memouna Gazibo reste sans mots devant ce qu'elle appelle la surprise la plus choquante, celle des attaques de ses sœurs, les femmes. Que des femmes m'attaquent pour penser que je défends pas la cause des femmes que je mets et comment je lutte pour ramener les femmes nigériennes en arrière. Je pense que aucune publication, aucune insulte ne m'a autant révolté et fait mal que celle-là. En ses débuts sur les réseaux sociaux, Madame Godje Agazibo n'était pas suffisamment armée pour faire face au déferlement des insultes. Je n'étais pas psychologiquement préparée à affronter de la haine, de l'impolitesse. Au début, quand on m'insultait, ça m'atteignait. Je venais souvent à la maison, j'étais triste. Madame Adama Ali, quant à elle, s'attendait à être insulté. Mais la réaction de ses proches a été une véritable surprise. C'est celle qui pense qu'elle n'est pas un modèle pour coacher. Beaucoup d'entre eux ont dit Oh, donc maintenant, oh, elle veut être coach, un truc comme ça. quest sur quoi elle va coacher les gens Ça n'a pas été euh, facile et ça m'a même montré les vraies images même des gens des gens avec qui tu partages même ton quotidien, avec qui tu causes, tu rigoles et tout. Au Niger, le harcèlement en ligne est illégal. La loi impose des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 5 ans pour les propos diffamatoires ou qui portent atteinte à la dignité humaine des infractions lorsqu'elles sont commises sur des moyens de communication électronique. Encore, cette loi est conçue pour protéger des personnes comme Mme Godier Maimouna qui subit régulièrement des insultes en ligne. Madame Gojé Maimouna Gazibo observe que les harceleurs la suivent jusque dans son bureau chaque fois qu'elle publie une vidéo et qu'une personne se sent visée. C'est clair, si des gens peuvent, sur la base d'un article, sans nous connaître, venir juste dans mon bureau, me traiter d'incompétente, de femme impolie, de femme égarée, de femme dont le mari ne maîtrise pas, dans mes locaux, donc ça veut dire qu'un jour, elle me portera main. Cependant, Mme Mouna Gazibo ne juge pas nécessaire de porter plainte, mais avant tout pour protéger sa famille. J'ai un enfant qui est à l'université. J'ai pas envie. Encore hier, il me dit, maman, souvent je vois la violence avec laquelle tu essayes d'aider des femmes et les gens t'insultent. Aujourd'hui, en 2024, il n'y a pas de doute possible. Je suis faite pour aider mon prochain. Je suis faite pour combattre aux côtés des femmes et je n'y renoncerai pour rien au monde. Je n'ai pas peur. Je mets en marche le, ring light et je peux déjà commencer les enregistrements. En cette soirée du mercredi 30 octobre 2024, Madame Adama Alizur Kalaini Mega se prépare à enregistrer une nouvelle vidéo qu'elle publiera sur TikTok. Euh, assalamu alaikum. J'espère que Arango Banera, dans cette intervention, elle interpelle les maris qui délaissent leurs épouses au profit de leur maîtresse, des vidéos qui lui attirent souvent des insultes. Eh, Madame Adama Alizur Mega a déposé une plainte auprès de la police judiciaire à Niamey pour mettre fin aux commentaires insultants d'un de ses harceleurs. Cependant, sa plainte est restée sans suite. Tout ce que je sais, la personne utilisait un faux profil pour pouvoir euh, faire ses messages, ses attaques et tout, parce que n'étais même pas la seule. Et je pense que certainement la personne avait compris qu'il était recherché et il a arrêté parce qu'il n'intervient même plus sur la page. Bien que ce harceleur n'ait jamais été arrêté, elle considère cette démarche comme une grande victoire. J'ai quelque part au moins eu un résultat positif parce que le monsieur ne m'attaque plus. Il n'est plus présent sur les réseaux sociaux, je ne le vois pratiquement plus. Si ces harceleurs a cessé d'attaquer Mme Adama Alizur Kalani Maiga, d'autres continuent. Malgré tout, ces deux femmes fortes s'efforcent de surmonter les attaques en poursuivant leurs publications sur les réseaux sociaux. Pour Mme Adama Alizur Kalani Maiga, il est difficile de défendre les droits des femmes sans être harcelée. Ah non, hein? oh, non, non, non. Aujourd'hui, euh, les droits des femmes, c'est une question épineuse, surtout au Niger. Quand vous parlez de, des droits de femmes, de l'émancipation des femmes, c'est comme si vous êtes en train de pousser les femmes à se rébeller, alors que c'est pas ça. Madame Godje Maimouna Gazibo et Madame Adama Alizur Kalaini Mega incarnent un symbole puissant de résilience face aux défis et du cyberharcèlement. Leur détermination et leur courage inspirent non seulement les femmes du Niger, mais aussi celles du monde entier, les encourageant à relever les défis et à défendre leurs droits. Leur exemple montre que même dans l'adversité, il est possible de trouver la force de préserver et de se battre pour un avenir meilleur. J'éteins le ring light. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, merci à l'équipe euh, qui a réalisé ce mini documentaire. Cette fois-ci, nous allons écouter euh, notre deuxième musique de la playlist. Il s'agit du titre Adena de Philo, la diva. se lève, elle prie pour une trêve, un espoir, un rêve, la fin d'un calvaire, un mariage et puis après, cette vie d'à peu près pour laquelle il n'est vrai et qui vous de la Diva est une chanson qui aborde le thème délicat et sensible de la violence conjugale. À travers ses paroles sincères et émouvantes, l'artiste met à lumière la réalité tragique que vivent de nombreuses femmes victimes de violences domestiques, souvent dans le silence et l'isolement. La chanson raconte donc l'histoire d'une femme qui se trouve piégée dans un cercle vicieux de souffrance, de peur et de soumission à cause des abus de son partenaire. Adena qui veut dire euh, arrêter en Hausa. Cette euh, chanson de Philo Diva cherche non seulement à dénoncer la violence conjugale, mais aussi à sensibiliser le public aux souffrances invisibles de celles qui en sont victimes. L'artiste incite à la solidarité et au soutien à des femmes tout en mettant en lumière les tabous qui entourent encore trop souvent ce sujet dans de nombreuses sociétés. artistes nigériens. Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Entamons à présent la rubrique hebdomadaire environnement après plus de 40 ans d'exploitation minière à Arlit, au-delà des conséquences sur la santé des populations, l'environnement de la zone est-il épargné des impacts de cette exploitation pour en savoir plus, Gungu Mohamed Antani s'est entretenu avec le lieutenant-colonel Ahmed Anour, directeur départemental de l'environnement d'Arlit. On écoute. Vous savez, au niveau de chaque site où il y a une exploitation minière, il y aura toujours des impacts sur l'environnement. En ce qui concerne Arlit, Arlit c'est une ancienne exploitation euh, minière qui a presque 40 ans. Et durant ces temps-là, par rapport à la minimisation même de ses effets d'impact, elle n'est pas tellement évoluée. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui à Arlit, vraiment, nous, à notre avis, l'environnement est impacté depuis longtemps. Et l'activité minière impacte l'environnement au niveau des deux milieux. Le milieu physique par rapport au sol, à l'air, à l'eau et au paysage. Et par rapport au milieu biologique, là on parle de la faune, de la flore, et des l'être humain. Le sol a été fragmenté avec les explosifs, ça s'est fragilisé. Si vous avez fait le constat au niveau de toutes les maisons, au niveau d'Arlette, c'est fissuré. Et ça, c'est dû aux effets des explosifs et des engins. L'air aussi est pollué parce qu'il y a des radons au niveau de, ces mines-là, il y a des poussières et au niveau même du traitement. Il y a encore il y a de, ce qu'on appelle des résidus miniers. Ils aussi produisent des particules que l'air emporte et que la population respire. Les plantes donc tout ceci fait que à l'heure actuelle, l'environnement, l'air en tant que tel n'est pas vraiment sain. Et ça, à notre avis, c'est dû à cette euh, exploitation minière. Au niveau du paysage aussi, tout est déformé. Il faut les protéger contre le vent pour ne pas qu'ils emportent ces particules-là qui contiennent des nucléides. Contre l'érosion hydrique, au niveau du milieu biologique, la faune ne peut pas résister parce qu'on va s'accaparer de son habitat. Donc il est obligé de s'y retirer et d'aller loin. Les oiseaux, la majorité boivent l'eau de ces bassins-là et ils meurent. Les petits reptiles aussi, parfois c'est comme ça. Donc là aussi, il y a des conséquences sur la faune et la flore aussi. La végétation va subir des conséquences. Quand on crée un site minières, il y a des villes qui vont se créer. Et ces villes-là, il y aura une population importante. Et ces gens-là vont toujours utiliser le bois, soit du bois de feu, charbon, bois de service pour les constructions, les hangars. Là aussi, les maigres sources liées ont vraiment subi une dégradation très importante. C'était la rubrique hebdomadaire environnement. Prenons une pause musicale avec le titre Namba Namba de Idi Sarki. soon, cause only once musique n'a pas de frontières, de l'est à l'ouest, elle brise les barrières. Non sur des filles vibrer des valeurs du ciel d'ailleurs, on a la joie dans nos cœurs. c'était le titre Namba Namba Didi Sarki que vous, venez d'écouter, une chanson qui célèbre la joie de vivre et l'importance de profiter pleinement de chaque instant. Avec le rythme entraînant et des paroles pleines de positivité, l'artiste invite ses auditeurs à se laisser, euh, laisser de côté toutes leurs préoccupations et de savourer les moments de bonheur, en particulier ce passé avec ce qu'on aime. À travers donc euh, cette chanson, Idi Sarki met en avant l'idée de vivre l'instant présent, de prendre le temps de sourire, de danser et de s'amuser sans se soucier des tracas du quotidien. C'est un appel à vivre pleinement, à être heureux des les petites choses et à savourer chaque moment comme une opportunité unique. Oui, la chanson était tellement bien qu'on vous a laissé la savourer cette fois-ci. Ruki, on passe au reportage région qui nous amène dans la région de Difa où la lutte contre les violences faites aux enfants, en particulier les viols, reste un combat et grâce aux efforts conjoints des associations et des ONG à travers euh, les campagnes de sensibilisation, des avancées significatives sont enregistrées, suivant le reportage de Guy Abdraman. Maryama uwar gidan Idrisa ta ofishin daraktan kyautata jin daɗin 'ya'ya mata da kuma kare haƙƙin yara ta bayyana cewa duka ɓangarori ya kamata su taimaka wajen rage musgunawa jinsi. Faɗe a kama yarinya sarmayi ya kama budurwa ko kuma namiji ya kama mace mata abun da ranta bai so ba. Muna samun su da yawa amma ba kamar shekarun baya ba. Fiske yanzu yau da gobe ana waye ma al'umma kai. ana ɗaukan matakai kenan abun ya rage macen aure ko kuma budurwa ko ƙaramar yarinya duka suna fuskanta. Maryama Ibrahim wacce ta taɓa fuskantar fyaɗe ta shaida yanda lamarin ya taɓa ta sosai. ya ba daɗi. Hakan ma ya ce mini in zo za mu wata magana ne da shi ta muhimmanci sai da na zo kuma sai na ga abun ba yadda ya ce ba ne ba. Saboda ni ban san an abun ba ma ba ce waɗanda suka taimaka min wa'annan da suka ɗauke ni suka kani likita suka sami ni aka min wani allurori da wani abubuwan su da aka ni magani aka ɗauke ni aka dada ni gida. Kuma ko da yaushe zan fita sai in ga kamar ni ake kallo kuma abin da ya faru da ni a koyaushe ina ganin ni ma zai ƙara faruwa da ni idan na fita. ko an aike ni bana iya zuwa face da ake kira na ake wayar min da kai ne sannan na samu damar da in an aike ni ma nake iya tafiya amma in baka bakin nake idan na fita kowa yana kallo amma kallon ba da mahimmanci yake kan yake kamar ni yar iska ce gani nake kamar idan na je ne magana a cikin mutane wa'ansu za su tashi su bar ni suna ware ni ta suna ɗauka ta kamar yar iska to ni kuma abin da ba yanda na so bane ba haka ya faru da ni ne. anata nata bangare Binta Alka shagorar ce ta mata ta mika sako ga iyayen da 'ya'yansu suka fuskanci fyaɗe da su dafa musu. Muna so daga mata zuwa maza su ba da gudunmuwa ƙarƙashin wannan abu abun ba kyau amma ana jin ra'ayin ko yaro ko babba a ja ra'ayinsu wannan abun bai dace ba kuma ana yawan sasa a jiki. bai kamata a kyamace su ba saboda wani yana zuwan masa bai sani ba za a danne mace a aikata mata yana da kyau mu sa su a jikinmu Maryama uwar gidan Idrisa ta mika kiran gaggawa ga al'umma. Kira ga mata 'yan uwana al'umma na difa waɗanda ɗiyan suka fuskanci wannan abun ba a tamike su wayanda suka fuskanci wannan faɗin sa su ake a jiki a kwantar da musu hankali a sama musu sana'ari yanzu duniya ta ci gaba masu hannu da shuni mu ma nan gwamnati akwai yaran da muke ake kawowa wanda suka fuskanci matsalan cin zarafi ko kuma matsalan armen gaugawa masu hannu da shuni suna zuwa bangaren namu su ce ma ai ana son a basu kaza za a koya musu sana'an hannu akwai sana'ar hannu da ake koya musu a ƙarshe maryama ibrahim ta yi fatan samun aure domin samun ingantacciyar rayuwa. Buri na Allah ya sa wanda za su dafa musu zama na nagari ni ma in zama nagari in samu miji ta gari na gari in yi aure in zauna a gidana kuma 'yan mata iri na ma ina fatan Allah ba su miji na gari sannan su ma a wayar musu da kansu tun kafin haka ya faru da su su zama na gari su samu miji su ma su zama su masa gari su aifi na gari haka nake fata da su to ina son mutane su fahimci da haka Allah ne dora mana kaddara to su ma su dauki kaddarar da yanda Allah dora mana kada idan mun zo cikin mutane mutane suna tsangomar mu haka ko kuma wani yana mana kallon da ba yake shikenan ba mu ma muna jin ba daɗi a ran wannan shaidar da Maryama ta bayar ya kawo haske matuƙa a kan ci gaba da wayar da kai da kuma kare yara daga musgunawa. Gangamin iyali da kuma ƙungiyoyi da kuma hukumomi zai iya taimakawa a kare mutuncin yara da samun makoma ta gari. Voilà, c'était le reportage de Gidi Abdurrahman rendu au studio en Hausa par mutari Mahamadou. On fait une petite pause pour revenir pour le sport. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Voilà, chers auditeurs, euh, si vous venez de nous suivre, nous avons annoncé tantôt le sport et ça sera avec Adam Sariou dans ce studio. Bonjour Adam. Bonjour Mira, bonjour Ruki. Bonjour Adam. Nous ouvrons cette page sport avec euh, un mot de la lutte traditionnelle à l'occasion de la 45e édition du sabre national à Dosso. Eh bien oui, Mira, nous sommes à la cinquième journée et nous assistons à de très beaux combats dans ce sport roi du Niger. Notons qu'à l'issue de la quatrième journée, nous avons 14 lutteurs invaincus, la région de Difa et Agadez avec euh, un lutteur chacune, Dosso, Telaberi et Niamey, deux lutteurs. Tawa 3 lutteurs, Maradi 3 lutteurs et Zander avec 0 lutteur. Notons qu'à ce stade de la compétition, c'est la région de Tawa qui a plus perdu car deux de ses favoris ont déjà mordu le sol, à savoir Sakiru Zakari et Nour Hassan. Merci Adam pour ce point sur la quatrième journée. Parlons à présent de football. Eh bien, en football, un match amical a été organisé dans le cadre de la paix et la cohésion sociale entre le département de Koni et Ilela du Nigeria ce week-end. L'équipe d'Isa Ilela Nigeria frontalier avec le département de Koni, s'est imposée sur le score de 1 but à 0. Pour plus de détails, euh, nous vous invitons à écouter le coach euh, Boli Lawali, entraîneur de l'équipe de FIFA de Koni, au micro de notre correspondant de la région de Tawa, Moussa Arzika. magana final kin da tsakanin fifa ta birnin kwani da club kin zi na lila ta nigeria an yi wasu duka dai balo abin da ta kare yan zero yan zero su suka ce mu premier mita aka kare minti goma sha biyar rizal mita an hako mu turwa minti da farawa suka samu na biyu muhimmancin ta abu ne kasan na solidarity na haɗa kai na yan kasa yan kasa da ƙasa kowa gaskiya musa da zumunta na tsakanin mu da lila da kwanni kamar mun zan uwa da kanina mun zan uwa guda uba guda ne tunda duk abin da ya tashi wallahi muna cuɗiya da je problème. Chers auditeurs, c'est sur ce mot de football que prend fin ce numéro sportif. Nous vous souhaitons un joyeux Noël à toutes et à tous. Merci, Merci Adam. Joyeux Noël à toi aussi. Donc, euh, fidèles auditeurs, après le sport, nous allons découvrir notre star du jour dans la rubrique Portrait. Oui, Umulher Yahya est une jeune femme vivant à Birninkoni dans la région de Tawa. Elle a créé une association dénommée Kasata Alpha Haritna pour appuyer ses pères et femmes à travailler euh, à travers euh, la transformation agroalimentaire et à lutter contre le chômage. Plus de précisions sur les raisons de la création de cette association dans ce portrait de Umulker Yahya réalisé par Asumana Moussarzika. A garin birnin Kwani da ke cikin jihar Tattawa wata matashiya ce yarinya ta kafa wata kungiyar sarrafe-sarrafe mai suna ƙasa ta alfahari na domin taimaka ma kanta da taimaka ma sauran takwarorin nata mata akan koyar da su ayyukan hannu na sarrafe-sarrafe musamman domin yaƙi da zaman banza waɗanda asalin sun yi lakwal suna jiran aikin gwamnati bai samu ba umulla hairu yahaya ta yi muna ƙarin bayani dangance da abun da ya sa ta kafa wannan ƙungiyar Shi bangaren sarrafe-sarrafen sana'o'i da abubuwa ya ɗauko asali shi ma saboda ni da ja a agenda transitudante da na ga aiki na ya ja da baya. Sai na gani to da in yi zamne cikin gida me ya kamata in kawai na je ina farmasiyo in na koyi wanga wani sati ko wani fata in je in koyi wanga wani gari. Sannan na zo bangare guda sai na ce to mata su zo mu yi farmasiyon rafid. Farmasiyon rafid shine zamu ɗauki mace ashirin daga mai birebe sai mai bak ne. To birebe da bak in nan da suke zamne ai sinadi suke su sai sun zo sun yi aikin gwamnati. To yanzu sai na ce to su dawo mu yi koyon ayyuka hannu in muka yi aikin hannu in Allah ya so zan shigo da duka abin da za mu yi sana'o'i ko ina ne uh, ummul haira ta koyi waɗannan ayyuka hannu kuma take taimaka ma 'yan uwanta mata domin koyar da su ummul haira yahya ta yi muna ƙarin bayani akan wannan baton gaskiya ina gaya maka ni ba inda ban koyi aiki na ba ko nazo indiya nazo kotonu nazo lome kai ina gani kasashe da yawa to wannan abin da na je na gani kasashen wasu shine ni ma nake so in kawo mu kasa na tunda in na doka yanzu noma da kiwo ina so mata mu koma shi noman nan duka mu dawo muna yin shi za mu taimaki kanmu za mu taimaki kasan mu ga a ce duka mun dawo da noma ba ko to ni ga ruhe boda ko wane ne yana ruhe boda ni ba za ta shahe ta ba ai ka noma dole ka ci ka. gaskiya asalin ƙungiyan nan domin kasa ta na kirkira shi sai da na yi yawon wasu kasashe na gani halin da suke sai na dawo to ya ne zan taimaka ma kasa ta to in ka doka mutum ashirin in nan kowane aka bata bukata mutum goma mun zama ɗari nawa su ma zuwa gaba wannan suka koyar da wasu kenan mu nan ƙasar mu za ta canza. A cikin ayyukan nasu na sarrafe-sarrafe ko menene suke sarrafawa a ayyukan nasu na hannu? Ummul Hairo Yahya ta yi muna ƙarin bayani a kan wannan muna talafu muna yi stablo muna yi omo muna yi komi da ka sani na hannu da man shahi man shahi duka basilin ne cream ne duka za mai eclair sisa ne ko wani koyon makeup ne mace kina so ki in kika zo kika koya ko komi mace ke so dai mu abu ne ban maso zaman banza kamar zaman banza da mata wata rana in ji wani ce tsotsayi ne kenan in kina da abun da kike yi kina samun dalaki insha Allahu wata rana ba komi ne ba sai kin fita waje kina badadi ba mu sani mutuncin mu shine namu Voilà, c'était là le portrait de Oumul Yahya réalisé par Asuman Moussa Arzika depuis Birniankoni. Passons maintenant à une seconde pause musicale avec le titre Nanaye de My People. mots que ta voix être lassée. Et comme si avec tes mains tu les avais cachés. Et comme si avec tes mains tu les avais dressés. Avec ces mots, je veux te parler de ma tradition. Avec ces mots, je veux te parler de mon milieu. Un milieu tradition que tout soit respecté Un milieu où la nature rime avec le paysage. Un milieu où les vieux sont construits comme des sages. Un milieu est une nouvelle page. Je te rappelle, ce texte c'est un appel. Je te rappelle, ces mots en des ailes. Et ça pour t'apporter ce message. Pour que tu comprennes qu'ici les langues s'additionnent. Pour que tu comprennes qu'ici les gens se pardonnent. Ah Ah, ok. de mon milieu, Niger, pays du Sahel. Pratiquement pas une seule goutte de pluie durant 9 mois. Le niveau d'eau dans les puits baisse et les mares s'achèvent. Le soleil impeccable fait que les pâturailles disparaissent. Les journées sont horribles et les nuits glaciales. matin se vend chaud du désert au coup de saut de poussière. Or que je n'ai rempli l'air d'une couronne de sable. Durant trois autres mois de l'année, les rares pluies reviennent avec des orages terrifiants. L'herbe pousse, les mares se remplissent et les arbres se couvrent de feuilles. Telle est la nature où vivent les Wood Viens voir, viens voir, Niger pays du Sahel. Hein. Nanae de For My People euh, et nous allons partir de l'autre côté euh, de l'équipe femme du studio Kalangu pour la rubrique Loti et aujourd'hui euh, cette rubrique aborde le phénomène de l'utilisation abusive des somnifères pour certaines femmes, par certaines femmes qui n'hésitent pas à endormir leurs enfants avec ces produits pharmaceutiques euh, dus. Pour surtout, euh, je dirais, euh, vaquer à leurs occupations et à d'autres activités. Écoutons plutôt les sages conseils du Desk Femme du studio Kalango à ce sujet. Affairage, affairage, affairage, affairage. Mensch. <laughs> yanzu dai aiki ya ƙare bari in zo in tahi gida in huta Gobe na san dai abin zai yi mana wuya ga wannan bikin sahura sahura ta ki tado ƙaunaki mu tahi Tanti tana kwana, na yi na yi in tada ta amma bata tashi ba. A'a, kamar kaka, Mariya, Mariya, to, kwana fa take, bata ma san ba me ake yi. To, na goye ta, na san ta tashi gida. Mama ta gida zaki tun yanzu? Mm, haka ne fa, wallahi na gaji, zan mu je gida mu dan huta don saboda kin san gobe bikin nan. Ah, to na gane, Mariya kwana take, na gan tun da kun ka taho bata tashi ba. injin dai lahiyar talau lahiyar talau kawai maganin kwana ne na bata da za mu zo don ta yi kwana in samu in yi aikin sunan nan kin san ya kamata a ce mun kare aikin nan kamun gobe in ba haka ba damu na za ta yi amma ban sani ba ko dai na bata da yawa ni shi yasa haka duka bata tashi ba mi maganin kwana kike ba iyarki saboda kar ta dame ki wai dan Allah dan me ki ta in kin san baki son ta kina son ki bata mata rayuwa ne haka saboda banza bata mata rayuwa kawai dan na sa ta kwana alhali ai kwana yana da kyau ga lafiyar dan adam ni ban ga ba me ne na bata rayuwa wallahi mamata kina bani dariya baki ga ganin da kina nan ga cuta mata baki sani ba da mutum sai in bai da lahiya ne ko koya baya samun barci sannan kawai ne kamata a bashi maganin kwana ita iyaki ba ta bacci ne a'a tana barci yadda ya kamata kuma a lokacin da ya kamata wai ina bata shine kawai don ina so wai ina bata shine kawai in zan shiga cikin jama'a da dare wannan ban da matsala da ita amma gaskiya abin da ke gaya min yayi tsanani ai da yawanci yaran da ke kuka da dare koko waɗanda ba su saurin kwana suna hana mutanen gida su huta su ne ake ba maganin bacci aiki da maganin bacci yana da illa kwarai da gaske bisa kan lafiyar jiki ɗaukar maganin bacci abu ne da an kai hani a ba ɗan ƙasa da shekara ɗaya iyaki kuma hotanta shida ne kawai kuma ko da za a bada shi sai in likita ya amince to ni dai gaskiya har ila yau dai ban ga wani abu da ya faru da ita ba kuma kullum nike yin shi in dai zan shiga jama'a haba mata ai in ana ɗaukar maganin bacci a cikin lokacin farko sai ki gani da babu wata matsala amma in kika zage da bata shi walla akwai hatsari da yawa da abun na ya kumsa Ɗaukan maganin barci musamman in ana ba yara shi kwarai hatsarin shi ya yi yawa da alherin da ya kamata ya kawo. Halima, ke ma ca ki kai in ana ba yaro maganin barci kullum, ni fa kawai sai in zan hita ne nike bata shi, kenan kin ga bai yi yawa ba. Ni kawai sai in zan hita ne zan bata shi kenan ga bai wallahi kina bani haushi. <laughs> Halima kenan. Dariya ma nake baki mamata. baki sani ba da ba da maganin ga a ko da yaushe in abun yayi yawa yana tare da wasu haɗura da za su zo su sa ƙwaƙwalwarta ta yi sanyi kuma ba za ta iya karatu ba yadda take so kuma in kamar kina ganin kaɗan ne kike bata shi wannan yana iya sa natsuwarta ta rage ko kin kira ta kafin ta amsa sai ta ɗan juma duk irin wayannan abubuwa dai kuma in abun yayi yawa in kuma in ɗokan maganin yayi yawa sai ki ga yarinyar ki tana ciwon kai yawan gajiya ba ta gani da kyau ko ko ta yi ta angaje tana ganin duhu gaɓoɓin jikinta su mata ciwo haujijiya ke da sauransu dai duka wannan halima abun ya yi yawa abin da kike haɗi mini ko gaskiya ne kin manta da cikin harakar kiwon lafiya nake to gaskiya in haka ne ina ji zan bar wannan harakar. da ya fi miki da ya fi miki kyau saurara ki je akwai wani tsari da zaki bi da za su sake shawo kan wannan matsalan. In kina son yarinya ki ta yi kwana, ki ajiye ta cikin gurin da babu hayaniya ko kuma wasu yara kina ganin wanka ne ake yi musu an ka musu wanka wannan na sa nan da nan su yi kwana ya fi kina ba ta maganin bacci. Halima yanzu dai na gane ki. Kin ga dai har yanzu dai Mariya ba ta tashi da barci ba. Duk duk abin da kika haɗe mini ya fara ta da mini hankalina. Na san dai ba yau da na yi niyyar barin wannan al'amarin ba zai kawo mini matsala kuma. a'a ba san ba ko zai kawo matsala kar ki damu amma dan Allah kai ki kara bata maganin bacci saboda abin da bai kai bai kawo ba to in Allah ya yarda zan ɗauki shawarwarinki nagode Là, le loti des femmes du studio Kalango sur l'utilisation des somnifères pour endormir les enfants. Passons à présent à la rubrique culture linguistique et ça sera avec Moussa Hassan qui vient de nous rejoindre dans ce studio qui va nous expliquer le mot Noël Zarma. Bonjour Moussa. Bonjour Samira, bonjour Ruki. Bonjour. iri hangan kan garan wani wana irki ne bayan wala ne zai bukar fanno kan sai gane kitir linguistika hunkuna samar hando cin dugu da samar hando jir cin dugu ro jiri kulu almasifa al'umma umma ga novel jingarote novel de matikala almasifa jingar no kan igete ka irkoi diya annabi isa jeji kristo noya a hayyin zaro berendi a sai ni ne fete de la nativite. yadin ga hunkuna kalma izo kan borik salanga gati noel noel dai za no kara almusifai iga jingar berite jiro jingar jingar jiro jiro jingar bero bun bonwa zama lokacin no kai ga ka jingaren sujudiyan bondumiyan ngware hasan da hindabuyan kerbeden da yankyar gaksine da hina bunai konzoyan zabi gaka kala hunkuna igo jingaro dinga bicino fi azulmata i hannano jingar da ngware ga iningai batu yante ina ngwari yan sola kan ga dingai almiyalai gunwa kan ga dingai gurksina gunwa da kan iga sarga hina bunese da afoyan mo ikogi konzo amciya bankare no amciya dalili no da gomni yande ase no ne wale ga nan kulkan almusife al'ummugo igingai batubiriyante igingai bunyiyante kan na ka jingare da ngware kan igate ingai al'umma se ingai bumbai se da labo fi azul mata se in sai no irga ira niger almusifi al'umma me ame barkan da jingaro kan i koikate jingar no kan ga bore igicen can naru wano wana almiyal fallora o kan yanga muru kun igi kokari jingaro mingai garfu inga almiyal ingai mate ingai bore game dingai mane bore game dingai gorksine gamara borubobu alwato cirano iga ngai wani dumitara tabbatan di kabori caddi yango iga tabbatan di kabori irga in niger al al'umma me ame barka irgi ngware ise sujin do gomni dawo kan bumbai gon gici wat kulu nga da al'ummicin do gam gorksina amte wafakai dabanira Irsa et chers auditeurs, merci aussi de l'intérêt que vous portez à cette émission. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages au 82 89 89 64. Écoutons quelques-uns. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. ayidi se nyigine sala ken sigine alfa kayna fa fati zai la bora ti jokkolgu irgaran fondo ko karo da kan arani no dama iri di bon fere karan go kande wala fu kango je ga kan go kandir se le ni bay dine rajo bay de no ne ai kan bore si bay im bore fahamandi wala ai kango nangu moro ima ke kimi kan lay ma to ne bore do wala ai kango ganda ganda ki go te marga yang ima to ne bore do wala go ifo kan borfo go te te fo am ka ma ki ra jabu bore mu faham fa ka go kande wajin bumbono nigi di gay yang igogo goy fonte kan inne hare bore sindi kwarai ngai mo irgo goy fonte ne hare kan ngai mo sindi kwarai ak ciya furte jeno kalam ko albere no ina da raja bon ne hare bore gudu bere wodin irmo irgudu ibera zadi fa kalama koy tilberi gabar gaye kalama ko bani bon yan hare gabar gaye kala dendi kambara yari ngani di boray songo dangale ikulu igo cerbandena wato di min bor one go goy fote kan bor faham famda de man cini no wala mo hatta bi ne ma bor ne nangu filani yani gogte nangu filani yani gogte wodi ga hinno bor gudu fahama amma songo kan ir koyte labara igo to boray do ni di boray go gudu fahamai iga bay kan iga teda hino kalam tona kan rabo rama ago koy gidi bumbo matkan kan goy gogo teda wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nakas wasamin khisam gahmud kalangu da asna sadar gan hulle hulle kan kan kalangu radio at mosama sa karna sa sadar gan hulle na radio da asma sa satar wa gafa wa neti dum hulle nakna sa sa namar hulle fila asmirin gafa wa tagu taguyati dum na natabiratan tidana daqalana lokkelana daqalana sensibilisation on déplacer tamida dengan yang kulna kena sasa nomor hu dan tuka pula semir yang kafa umi tetagu eti dema tu no hasilas kalau ngut tetagu batu tena gut nen paske saran tetagu debat tena gut nen tetagu debat tena falara tena gula sadan al khair awadis tawe ne ti dema tena sotun tiet tu wenna sen hadda ya تنسينا مدن هذا تام قدر فلاس كلنجو نا أنا كلنجو إن كان دا دغس نراسا الفكية باتو تنزون تينا تنت تجو سأقول كل لا كون دار نقدر وين كده زلكولا تيتجا زلكولا تيتجا فكر كارم مرة نقفا نتي دم تنهولة هولة زوم هذا نا نرفي أشوفت كاب دار نقدر وين تاتديو تغاس تلما كان نمقدر دنس كنا أنا غورزات سنسيبيليزاسيون تنس كنا نتوجز نقفا وننا كلنجو مرمود دنيس كنا سيجن كوبيني هولة هولة دا دا يسالن تهول ان نتدم يعني ذنا هلا غينا أميدني وانا سمنا سبو بكر إيه هنيمة يا هلا غين دعا ألتني ألتني ما مدو إيه هنتيرا هلا غين دعا إيشي وادع مري لكني نسمع لك نقينا تهول هلين يا هلا غين دعا أم قارن هنا قط ديوار قالنا الشفاعة قاحم Merci à vous, chers auditeurs, pour ces nombreux messages que vous ne cessez de nous envoyer. Si vous avez aussi euh, vos messages à envoyer, n'hésitez pas sur le 82 89 89 64. À présent, faisons une petite pause musicale, notre dernière pause avec euh, le titre Jahilchi de Guessband. ainsi que prend fin l'émission Le Niger sur Kalangou d'aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été des nôtres sur cette émission. Vous étiez en compagnie de Rukaito Abdramana et de moi-même Samira Wafi. L'édition a été assurée par Moussa Hassan et la technique par Abdoulaye Yakouba. C'était un immense plaisir, comme elle l'a dit, de passer une heure en votre compagnie. On se dit à demain. En attendant, très bon après-midi à tous.